Jeudi 6 juin 2024, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Chères auditrices et auditeurs, c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Ali Moukela Hussein alias Seno et à mes côtés, Rabi Meikano. Bonjour Rabi, en forme ce matin Ça va bien Seno et toi, ça va Alhamdulillah. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui comme d'habitude, Rabi, nous débutons cette édition avec euh, le flash d'information et comme invité, nous recevons Aziz Tony, l'un des anciens artistes rappeurs du Niger qui continue toujours à évoluer dans ce genre musical au Niger. Dans ce même numéro, nous aurons également la rubrique Éco des régions qui nous conduira à Kony, région d'Ottawa, pour parler du prix des moutons à la veille de la fête de Tabaski qui s'annonce. Il y aura également la rubrique Eco consacrée à l'éducation numérique le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur du jour. Et nous terminerons cette édition avec les messages vocaux. L'édition est assurée par Adam Dawaki et à la technique, nous avons ce matin Issa Lawali. On débute cette émission avec le flash d'information. il nous sera présenté par Nafisa Adamou. Bonjour Nafisa. Bonjour Rabia, bonjour Seno. Bonjour. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information que nous débutons avec euh, cette information. La Direction générale de la protection civile, dans un communiqué publié hier, indique que les inondations causées par les récentes pluies ont tué 13 personnes sur l'ensemble du territoire national et fait 15 blessés. Selon la même source, la région de Maradi est la région la plus touchée avec 11 morts, tandis que Zender enregistre les deux autres décès. Pour ce qui est des blessés, c'est toujours Maradi qui est la plus affectée avec 11 cas et enregistre les, les quatre cas restants. Ces intempéries ont également sinistré près de 3000 personnes reparties dans 381 ménages et la perte de 325 têtes de bétail. Au total, 18 communes sont affectées sur l'ensemble du pays. Le président du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Ahima, à la tête d'une délégation, a effectué une visite hier à Dosso. Il s'agira pour la mission de rencontrer la communauté footballistique, de s'inquiéter des préoccupations des préoccupations des acteurs et recueillir des pistes de solutions. La délégation a aussi visité les infrastructures fruits des financements de la FIFA et d'autres fédérations sœurs. Et selon le colonel-major, l'objectif est de créer des académies à l'intérieur du pays, tout en précisant que l'académie d'élite de Niamey permettra au Niger d'avoir dans cinq ans des élites du football nigérien. Enfin, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a effectué du 4 au 5 juin 2024 une visite officielle au Burkina Faso. L'objectif pour le chef de la diplomatie russe est de s'entretenir avec les autorités de la transition à qui il a promis davantage d'instructeurs militaires russes pour accroître les capacités opérationnelles des forces armées burkinabées engagées dans la lutte contre les groupes armés non étatiques la coopération dans le secteur minier, la formation professionnelle, le commerce, l'agriculture, de la santé aussi ont fait l'objet d'échanges fructueux entre le président du Faso et son hôte. Sergei Lavrov effectue une nouvelle tournée africaine qu'il a déjà conduite en Guinée et au Congo avant le Tchad. C'est la fin de ce flash d'information. Merci, Merci Je vous en prie. À bientôt. Je l'annonçais en début d'émission, nous recevons comme invité Aziz Tony, artiste, rappeur, compositeur. Bonjour Aziz. Bonjour Aziz. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à présent. Bonjour à Kalango, bonjour et merci de m'avoir invité sur cette grosse, grosse émission. Au plaisir. le plaisir est pour moi. le plaisir est partagé. Merci euh, de nous honorer de votre présence dans cette émission. Avec vous, nos échanges porteront sur votre carrière de rappeur. Mais avant, sinon, à tout seigneur, tout honneur, nous avons cette tradition sur cette émission. Nous allons euh, écouter l'un de vos titres. Il s'agit de Komiza Tazama. Et on se reprend. Komiza ba san za je za za za za tout à la Ok. mazan kwarai ba su sha baya dan komi za ta zama ta zama tashi da kanka ka nemi na kanka komi za ta zama ta zama bari in canza sauti in goma salo irin na gambara ni na san nan wurin ga ba matsiyaci bai cike ku ba ku gada halin tsiya ba rigar fatara ba ta jikin ku a gaishe ku masoyanmu Allah mai girma ya saka ya kowa da wani shi bai son rawar mu sai wadda ta zo daga can a ganga mai kira kunkuru da fuska kama an tattaka kwanko mata ku yi niyya mai samari ko duk kai salati Allah ku taimaka ya da sa'a dan girman salati sanyi na nan ta sa kato kukan kwaikwayo ya sa gwagwar karin uku da soke matan irkwai da makallin da komi za ta zama ta zama komi za ta zama ta zama komi za ta zama ta zama komi kai komi kai komi za ta zama ta zama komi za ta zama ta zama komi za ta zama ta zama na shigo fili sun sake zama kiɗin ƙwarya daban ne da duma a bambanta kabewa da ɗan duma rawar gidan suna zinewa rawar wuta suna tamawa wani wakan ma da kaɗan ta kaɗan ba su da ta da zonewa muna kokowa mu ga sama sama suna kokowa su ga mu can ƙasa su ga mu can ƙasa muna da yin bara kokowa kan mata kicin nasara rannuka mai girke mai girke kalangulo ne ke

कोणी जात जमा जमा कोणी जात जमा जमा नश कोणी जात जमा जमा da zama alheri ya yi dai da zama alheri Ali Sony Zata tazama Zama, du grand art. Ah. Quelle maîtrise de la langue Aoussa, c'est juste. Je te euh, jure. Waouh. <laughs> Alors. voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Komi Zata Zama de l'artiste Aziz Tony qui est avec nous dans cette émission. Alors, euh, Aziz, avant de rentrer dans le vif du sujet, un hein, de nos échanges parlez nous un peu de ce titre, Komisa eh, Tazama. C'est quoi la petite histoire Voilà, <laughs> c'est quoi l'histoire derrière L'histoire derrière, d'abord, c'était le son de promo de la sortie de mon album de l'année passée. Donc, Komiza euh, Tazama, Tazama, ça veut dire tout ce qui doit venir viendra, en fait. Hmm. Ça parle un peu de la prédestinée, quoi, du destin. Donc, je crois qu'on ne doit pas craindre ou avoir peur de ce que Dieu a prédestiné pour nous tous. Donc je m'étais engagé pour un concert, je venais de très loin après un long silence. Mhm. Donc j'ai intitulé le son Komisa Tazama Tazama parce que je me suis lancé du 18e étage et je me suis dit... On fonce seulement. On seulement quoi. Yes. Quoi qu'il advienne, adviendra. Ah. C'est ça l'idée. <laughs> Aziz, vous pouvez nous parler de vos débuts dans le monde du rap. Comment vous avez commencé à, rapper et qu'est-ce qui vous a poussé à, embrasser cette, euh, ce style musical euh, bon, au début, pour être honnête, c'était d'abord nos aînés. Je parle de la Kalkane, je parle de Kaidangaskia, Djoroji et tout, mhm. au pays. Et ailleurs, il y avait MC Solar et tout. C'était les moments où c'était vraiment du yo, yo, yo. Donc, on voyait nos grands frères, les la Kalkane faisaient. Vraiment, on avait envie de faire comme eux. Donc, tout doucement, on les regarde, on les imitait, on regarde, on les imitait. Et voilà, c'est comme ça. On s'est dit, bon, voilà, on va créer un groupe. Au début, je n'étais pas dans le groupe. Il y avait Bacho, le défunt Bacho, mon frère qui nous a quittés, ça fait 4 ans, père à son âme. Il y avait Salif, ils étaient deux. Donc, moi, j'étais un peu comme le coach du groupe. Donc, je les apportais des petites idées, des petits trucs. Et à un moment, ils m'ont dit, mais écoute, il faut que tu arrêtes de venir nous donner toujours des coachings. Et si tu es dans le tu rentrais en même temps dans le groupe, c'est mieux. Ils avaient déjà un problème de quelqu'un qui allait faire le refrain avec une fine voix. J'étais déjà chanteur avant d'être rappeur. Donc voilà comment je suis rentré dans le groupe et euh, depuis 2002 et on a foncé, c'est parti comme ça. C'est un hasard, c'est un coup de hasard et c'est venu comme ça. Ok, le groupe s'appelait Mama Boys, n'est-ce pas ouais. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette période et comment cela a-t-il influencé votre carrière euh, Le souvenir que j'ai de Mama Boys, c'est que tout était parti par un coup de hasard et honnêtement, on ne savait même pas que ça allait donner quelque chose de bien. On a sorti Ennemi du rap euh, on avait déjà eu le soutien de tout le quartier qui était avec nous et tout et tout dans notre euh, début avec un esprit beaucoup plus amateur. Après, on a sorti pro, on n'est pas des pros. Et c'est là où ça fait bim. Et là, on s'est dit, ah là, ça devient sérieux. Après, on a sorti Tekei que j'ai Ah, là, on a fait le tour du Niger. Et là, on a dit, bon, maintenant, je crois que maintenant, les bonnes choses vont hein. commencer. Et c'est comme ça, c'est parti. Ah Mais alors, ce qu'on retient de votre groupe, c'est que vous êtes à fond sur le traditionnel aussi. Non, au début, on était hip-hop. Au début, on était hip-hop. Et Ennemi du rap, c'était rap. On n'est pas des pros, c'était rap. Et un moment, on a regardé tous nos amis, nos coéquipiers, tous les mouvements. Tout le monde était dans le rap. Yo, yo, yo, yo on était allé à une tournée vers Maradi, on a suivi une séance de Takai. Et j'ai dit à mes gars, écoutez les gars, il faut qu'on se démarque de tout le monde. On fait tous la même chose. Kamikaze, tout le monde, Black Dabs et tout. J'ai dit, mais et si on sortait un truc original, différent Je me rappelle le feu Masakofi, l'animateur, quand il nous entendait répéter Takai. Il dit quoi Après des sons hip-hop, vous sortez avec un truc comme ça, on va vous lyncher sur scène. Ah, on est sorti avec Takai, c'était en fait, on n'y s'y attendait même pas. Et c'est un son qu'on n'a même pas beaucoup travaillé. Le reste des textes, on l'a fait au studio. Maître Bat nous a aidé à faire le son et ça fait mousse. On a fait le tour du Niger. On a représenté le Niger euh, à Cotonou au festival Sika. Mm. Dans 14 pays, on était troisième parce que chacun venait avec la culture de chez lui. C'était énorme, ça a donné un succès énorme. Donc voilà comment les choses sont passées. <laughs> C'est vraiment du, très bon boulot. Alors, euh, comment voyez-vous l'évolution de, du rap nigérien Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la old school. Vous, avez vu ces aînés-là. Et maintenant, vous êtes encore dans le rap. Alors, comment vous voyez l'évolution du rap Bon, ben, je dirais tout simplement que l'évolution, elle est à cheval parce que dans les débuts, il y avait beaucoup plus de, de la passion avec les artistes du début. C'est-à-dire, on s'était donné à fond. D'abord, au début, nous, on ne savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent dans la musique. On ne savait pas qu'on peut payer voiture, on peut payer maison. Et quand on nous donne 50 000 francs cachés, mais on est très content parce que on ne savait pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui me voient et disent Mais attends, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de Range Rover. Avec tout le nom que vous avez fait là, on leur dit Ben voilà, d'abord, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait, y avait que des cassettes, il n'y avait pas TikTok, c'était des cassettes. une seule, il y avait Ténéré seulement qui était la télé, une seule télé privée, une seule télé nationale. Donc nous, on ne savait même pas qu'il y avait ce côté amateur et tout et tout. Mais maintenant, je dirais tout simplement qu'il y a une grosse évolution parce que de par le numérique, quand je regarde mes anciens clips, je vois façon les images sont floues. Je dis waouh, on a fait ça. <laughs> Donc du coup aujourd'hui les trucs sont en full HD, en 2K, 4K, tu vois. Donc les logiciels ont évolué pour les prises de voix et tout. Et aujourd'hui un cachet peut un artiste peut te prendre un million de cachets. C'est donc, je dirais que forcément qu'il y a eu de l'évolution. Mais sans frustrer les autres, il y avait plus de la passion et du travail avant que maintenant. Mm. Et si euh, on vous demande de faire une comparaison en termes de production, de ce que euh, vous produisez auparavant et ce que vous êtes en train de produire aujourd'hui, est-ce que la qualité, comment est-ce que vous trouvez dans les textes et aussi euh, dans le rendu oui, mais dans le texte, je, je reviens toujours à ce que je dis. Dans le texte, on prenait beaucoup plus du temps avant à écrire, avant même de sortir une chanson. On peut te faire six mois de travail. Aujourd'hui, tu peux enregistrer une chanson dans ta chambre, avec ton téléphone, en une heure de temps, en une journée. Donc, c'est vrai, le résultat est bon, ça prend avec les réseaux sociaux, on, voit vend l'image et tout, ça va vite. Mais avant, c'était plus consistant, ça tenait beaucoup plus. Il y avait plus de sérieux, vous voulez Plus dire. du sérieux avant. Mais vous, personnellement, vous êtes de la old, un peu de la old quand même, et de la new school qu'on écoute maintenant. Alors, comment euh, cet environnement a impacté, a influencé votre production à vous Oh, c'était pas facile. Honnêtement, pour être honnête, c'était pas facile. Parce que là, personnellement, moi, je suis confronté à un problème de génération, de public. Mon public d'avant, ça fait 10, 15, 18 ans. C'est pas, j'ai pas, je suis, j'ai pas le même public maintenant. Donc, du coup, tous ceux qui nous kiffaient avant aujourd'hui sont sages, matures, mariés ou beaucoup plus mature et tout. Aujourd'hui, on est confronté à un nouveau public très, très, très jeune qui a du mal, moi personnellement, à me comprendre. Quand, tant que tu ne chantes pas comme Didi B, tu ne chantes pas comme tu fais pas à ma piano, tant que tu ne fais pas, il, trouve bizarre cette originalité que je mets du kalango, du Douma dans ma musique. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à côté pour lui dire oui, c'est ça l'originalité. Parce que je ne peux pas chanter mieux que Booba, je ne peux pas chanter mieux que 50 Cent. <laughs> Donc la seule chose par laquelle je peux me démarquer, démarquer mon pays, mhm. c'est apporter cette touche locale traditionnelle. Ah oh, ça, ça, ça, mérite des applaudissements. <laughs> Ben Alors, euh, Aziz, on a retenu que voilà, tout a commencé euh, avec euh, l'observation parce que vous n'étiez pas dans un groupe, vous étiez là à train de coacher et à un moment donné, on vous a demandé d'introduire le groupe et c'est de là que tout est parti. Et vous avez fait un long parcours avec le groupe Mamachi Boys. Après, vous vous êtes retrouvé. Actuellement, vous êtes en solo et que le combat continue. On va continuer les discussions, mais euh, on va d'abord marquer une euh, petite pause avant de, poursuivre. Et on va écouter un des titres que vous avez produit euh, en collaboration avec des artistes du Bénin. dans le cadre, n'est-ce pas, de lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités nigériennes et béninoises par rapport à la fermeture de la frontière entre les deux pays. C'est parti avec le titre Niger-Bénin, la paix. sharma sharmakaran wimba tonwa bene ka niger maba Niger, un dans l'histoire, unis la main dans la main. mademoiselle san yan uwa muke ba mu taɓa jin gardama ba tsakanin mu dariya muke sai ga wata sabuwa mun fara ku gardama to mu zama na mai sulhu mu mai da komi ba komi don yaran zaku. frontières. Nous avons besoin des ponts et non des barrières. Que nos différences soient des forces à célébrer. Albasa Karigowa, Sanije Kananofa, Abado Kanije Gowan, Kabene Kanana Chiga. Bene Kanape, Nije Kanape, Usawara Fote. Irikuru Bene Nije.

Bassesu Teko, Inesu Nusina. Yeba. Bassesu Bassewi, Agata Manino. Inesu Wikia, Iswe Iwikia. La magie, la magie de l'art la magie de la musique qui arrive à toucher les cœurs et euh, qu'on espère qu'il va ramollir les sentiments, les cœurs, vraiment euh, la communion. C'est juste du bon boulot. Aziz, Retour au studio euh, avec vous. Nous allons parler cette fois-ci de cette collaboration, euh, cette belle collaboration avec les artistes béninois. Comment ça s'est passé euh, Parce que les frontières sont toujours fermées, hein, c'est ça Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, j'ai un ami qui est à Parakou et Maf Afo. Donc, son boss, qui est le président des artistes de là-bas, a eu l'idée de faire une chanson à titre personnel. Donc ils nous ont demandé bon maintenant comment on allait s'y prendre pour venir. Ils nous ont pris le vol. On a pris le vol, euh, on a passé par le Burkina et tout. On est parti. On était trois. Ils m'ont dit bon ils ont besoin de quelqu'un qui va chanter en Hausa. Donc c'était déjà moi et avait, ils m'ont dit de chercher quelqu'un qui va chanter en Pelé et en Germain. Donc j'ai pris Marie Diallo, j'ai pris Big Abdel, je les ai proposés. Bon voilà, c'est un truc, c'est du bénévolat et c'est pour la bonne cause. Donc euh, on a foncé comme ça, on est parti. Euh, on a eu un arrangeur qui a quitté Cotonou, qui est venu Fifi Finder, qui est un gros réalisateur du Bénin, qui a fait le son. On a tourné le clip qui doit sortir aujourd'hui. Euh, Marco a tourné le clip. Marco, c'est déjà pour la petite histoire, c'est lui qui a tourné le clip de Smarty qui est sorti tout récemment avec la Sénégal. C'est le même réalisateur. Ne pas de tes problèmes. Exactement, c'est le même réalo. Donc, on était, le, quand vous écoutez la qualité sans se jeter des ah, fleurs, c'était de la vraie prod. Les gens ont investi pour que ça fasse vraiment le tour de l'Afrique ou du monde. Ça le fera. Ouais, c'est vraiment <laughs> du bon boulot. le sens déjà parce que euh, le son, vraiment, il y a de la qualité dedans. Ouais. On sent le travail, le travail derrière. Euh, Aziz, vous avez passé quand même quelques jours euh, au Bénin pour, dans le cadre de cette collaboration. Comment la population là-bas vit cette situation Oh, pour être honnête, c'est triste de le dire. Hein. Le chaos, il est des deux côtés. Les, Béninois vraiment s'en sortent très difficilement quand tu prends le port qui est à 80% de tout ce qui est ressources du Bénin, qui est fermé. Il n'y a même pas une mouche qui se donc c'est vraiment un chaos pour le Bénin. ce qu'ils exportent, qu'ils amènent vers nous, c'est le maïs et autres. La sous-région, ils en ont, c'est nous qui consommons plus et ils sont vraiment dans un chaos. Mais l'un dans l'autre, ils nous ont accueillis à bras ouverts de voir des Nigériens qui sont venus pour la bonne cause. Ils ne savaient même pas où nous mettre en fait. Tout le monde voulait nous inviter, tout le monde voulait nous voir, tout le monde voulait assister, tout le monde voulait apporter quelque chose. Et c'est là que j'ai compris que les deux peuples sont vraiment frères. Hmm. C'est peut-être un problème euh, politique. On, ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison, mais je pense que le cri du cœur, c'est hmm. faisons la paix. Aziz Tony, euh, nous espérons que votre cri de cœur sera entendu et pris en compte. Alors Aziz, dites-nous quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés tout au long de votre carrière et comment les avez-vous surmontés Bon, les défis, ça ne finit pas. Hein. On est toujours dedans, ça ne va pas finir. C'est un parcours du combattant. C'est tant qu'on vit, Dieu ne finit pas de nous former, de nous déformer et de nous transformer, quoi. Donc moi, je pense que en tant qu'artiste, on le vit tous. On a un problème de visibilité. On a un problème pour que de faire connaître nos musiques ailleurs que notre musique sorte. On a un problème d'industrie musicale. On n'en a pratiquement pas au Niger. Il n'y a pas d'industrie musicale au Niger. Donc c'est du bénévolat. Chacun vole de ses propres ailes, à part quelques-uns qui soutiennent à faire des petites productions ou des concerts, des trucs. Tout le temps, l'artiste vit de lui-même, de ses propres fonds, et c'est un gros handicap parce que comme ça, n'est même pas possible que ça marche. Partout ailleurs, il y a des gens derrière, il y a des gros bonnets, il y a des partenaires, il y a des trucs qui financent les artistes, qui font écouter la musique ailleurs. Il est temps qu'on nous voit dans des grands festivals, qu'on nous voit partout sur Trace, qu'on nous voit dans des gros événements partout ouais, qu'il n'y a pas. C'est pas qu'on n'a pas le talent, c'est pas qu'on n'a pas le talent. Hein. Hein. On connaît nos frères d'à côté, on les sous-estime pas, mais ils nous dépassent pas. On a besoin juste d'une petite touche pour qu'on fasse. Le talent, et là, vous venez de, le prouver à travers euh, ces deux titres que nous venons d'écouter. Alors, <clears throat> Aziz, euh, comment voyez-vous l'évolution du rap au Niger et quelle place euh, pensez-vous y occuper dans les années à venir non, mais déjà, l'esprit, c'est que les artistes se battent matin, midi et soir. Ça, déjà, je suis convaincu de ça. Et ils, étaient, ils essaient d'être beaucoup plus professionnels qu'avant, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends aujourd'hui des artistes qui savent se bouquer, qui savent aller sur des sites, qui créent des festivals, qui postulent dans des festivals et tout, et tout, moi, je pense que l'évolution, elle est, elle est en bon train, mais il faut qu'il y ait encore une autre touche pour pousser, pour qu'on aille beaucoup plus de l'avant. Mais c'est vrai qu'il y a une nette différence. Pour ne pas dire, un moment, on était deuxième en Afrique, quatrième au monde dans les débuts. Mais maintenant, il y a une légère chute. Mais je pense qu'on peut remonter la pente. Quoi. Il suffit juste qu'on s'y met au travail, qu'on s'y donne et voilà, ça va le faire. Quoi. Donc. Super. Alors, euh, êtes-vous impliqué dans des initiatives ou des projets communautaires en dehors de votre carrière musicale Communautaire, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, dans votre commune, vous êtes dans la commune 4, je crois bien. Voilà, donc dans, votre commune, est-ce qu'il y a des activités que vous menez pour apporter un plus euh, à cette commune en dehors, de, la musique. En dehors de la musique, bon oui, un moment avec la mairie, on était sur des projets de sensibilisation et tout. Donc après, avec euh, là, là, je suis avec même le ministère des Transports. On est, sur un projet de sécurité routière et tout. J'ai fait déjà la chanson et tout. Donc j'attends juste un truc pour faire la vidéo et passer à la sensibilisation et tout. Question de dire aux gens de faire attention à la ceinture de sécurité, avoir un permis, porter des casques. Parce que la majorité des accidents qu'on voit sont dus à la sécurité routière. Donc c'est un peu ce projet sur lequel je suis avec le ministère des Transports actuellement. C'est ça, parce que les artistes sont euh, extrêmement écoutés dans les quartiers, dans les villes et partout. Le message passe vite. Leader d'opinion, voilà. Aziz, vous avez un message à l'endroit du public nigérien qui nous écoute sur cette émission Oui, le, le message que j'envoie, c'est qu'ils soient patients, qu'ils nous poussent parce que personne ne le fera à leur place. Il faut forcément qu'il y ait des Nigériens pour pousser des Nigériens. Et tant qu'ils nous prennent au sérieux, tant qu'ils poussent, forcément ailleurs, on aura de la visibilité, les gens vont pousser. Donc euh, on a besoin de soutien, de, de poussing, comme on le dit. Et nous, le reste, on va donner le maximum de nous-mêmes et, essayer d'être un peu plus professionnel dans ce qu'on fait. Super. Alors, euh, pour finir, un petit acapella Ouais. Ou bien Un, goût, un freestyle. <laughs> ah bon Un truc. Nouveau ou ancien <laughs> Ben, je veux faire, je vais faire, je vais faire un truc qui va créer un, un, mythe, un point d'interrogation. Lalena shiga Ama baba, wallahi bando kaba. ba, Hidani. Kwaram ba neba. kwaran kwatsa ne ba. bani ne ba, kwaran ne, likita ya yana gayi ne ba. Gayu sun hito bani neba. ne ba. Kwamsar ya yi bincike ba ni ne ba, habibi ta zo ta gayi ba ni ne ba, wallahi kai ne an ce iye, to in ba kai ne shakihi gaya mini wane ne babanta ya ce kai ne iye, wayo ni Allah kaina, na shiga ban ɗoka ba, ba ba ni ne ba. <laughs> <laughs> Merci infiniment, Aziz et Tony, d'avoir non seulement répondu présent à notre invitation, mais également d'avoir répondu à nos questions. Le plaisir est pour moi. Nous te souhaitons bon vent dans ta carrière musicale. Merci beaucoup. Merci à Kalangou, merci Rabi, Seno, toute l'équipe. <laughs> Kalangou, merci, merci. Merci, infiniment. Merci. merci. C'était cool de te recevoir. Merci, on va faire une petite pause et on se reprend juste après. Exact. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, si vous venez de prendre l'émission en cours, ne vous en faites pas. Vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission sur notre site web le www.studiocalangu.org. Et c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo et nous sommes jeudi, nous allons parler éducation, n'est-ce pas, c'est nous Exactement, Rabi. Dans la rubrique éducation de ce matin, nous allons à la découverte de l'internat euh, des jeunes filles de Kélé. Situé à 140 km de Zender, dans le département de Gouré, l'internat de Kélé une Guré, en 2021, accueille plus de 300 jeunes filles de la sixième à la quatrième. Il constitue une réponse efficace au problème de mentorat auquel font face les jeunes élèves en milieu rural. Plus de précision dans cette interview qu'accordée Eh, Ibra Yaou, le proviseur du CS de Kele a Fanta Shamsu. Malam Ibra Yaou kenan. Muna son mu kuma daga bakin ku karin bayani akan ita wannan makarantar da 'yan matan da ke zauwa a cikin makarantar. Lakwal quoi da farko dai sai Eje ne aka buɗe shi a 2002. Eh, kuma wannan sai Ejen ya koma CAS a 2022. 2022 justement 2022. To, a yau wannan ekon ɗin yana da jimillar mutane 628 wannan yawan yara da za mu ce tufarkalla da allah ya sa lakon ɗin wannan take da kwai shi yana da dangantaka da wannan intanet da aka buɗe tun da da in kun diba can baya lakwal ɗin nan ba ta da jama'a da yawa saboda mai saboda duk allahirin 'yan mata da suke samu sai ffpd ba su samun damar zauwa su yi karatu saboda matsalan twitter eh to babu twitter shi ne ma ya sa tunda kuma kun yi sulinyen shi aka buɗe wani internet ɗin to ma sha Allahu yau kaga mu ne hada mutane miliyan 628 dalilin buɗewa wani internet ɗin to in ka diba a cikin 628 eh, ɗin wannan 319 dukkansu yara ne na internet kuma 'yan mata kenan alhali fiye da kashi hamsin cikin ɗari na yaran da muke da kwai a nan eh, ta mu ta kyalle to duka yara ne na yantarna Daga ina suke yawancinsu, daga ina aka fi kawo muku kuke zuwa ku nemo su. Kuma a nan cikin internet lakwalkin take ko kuma lakwal in daban take kin daban take. Suna zo mana da duk garuruka da suke cikin komin din kyalle eh, wanda suke nesa da mu in ba eh, na manta ba kaɗan da ko wanda suke kilo Eh, gomiya tara da takwas da suke zawa daga nan wanda suke zo mana daga kusa su ne eh, kiringim eh, na kilo gomiya tara da takwas kenan kun gani nesa ne to muna da kwai yara suke zawa daga can wanda suke mafi kusa su ne suna zawa daga garuruka masu nisan kilo shida kilo bakwai to abin da nake son in sani kamar ya ake samun shiga a cikin ku ke nemo su yaran nan ko kuma iyayensu ke kawo su in kuma akwai waɗanda laifaran son retisan comment vous procédez mm, to masha Allahu eh amsa wannan tambayar dai ita ce eh daga sama dai babu wani kiritar da yake cewa yaro mai eh, yaro kaza ne kamata su shigo cikin interna mu muna daukan duk yara wanda suka fito daga komin ɗin kyalle banda 'yan kyalle gari duk wanda suke garuruka na cikin komin din kadai 'yan kyalle ne ba su shiga tun da su iyansu suna nan tare da su go mhm. to duk wanda suke cikin kyalle komin da kyalle garuruka mun ga muku wanda suke da gomiya tara mhm. eh, kilo gomiya tara da kilo shida duka da wanda suke ciki suna zawwa kenan babu wani kirita eh, kuma su suke zawwa muna convocation ne duka yaran suna zawa daga an yi orientation duka muna yi musu convocation su zo su e kenan babu wani kriter takamamme duka ne kurin an yi mun samu wanga decision na orientation et on fait de convocation mun kai convocation duka yara suna zawa ba biya kuma e, ba, ba biya ba za mu cewa direktiman mahimmancin karatun ƴaƴa mata wannan kowa ya san shi amma ƴaƴa mata su zauna a cikin internet su karatu menene fa'ida a ciki lalle kam Eh, sai in ce zama yaran mata a internet su yi karatu yana da fa'ida sosai na farko babbar fa'ida da zani ce eh, in sun zo internet din nan elles sont sécurisées mhm. et eh, elles profitent vraiment de la sécurité Et c'est pas comme en ville là où elles seront perturbées, entre griffes par des petits garçons, puisque nous avons des mhm. filles tous. Euh, vraiment, elles sont sécurisées ici elles sont bien nourries, elles sont mises dans des conditions vraiment favorables pour étudier. C'était la rubrique euh, hebdomadaire éducation. Repartons en musique avec une autre belle collaboration de l'artiste Raz Gaz et Benji et ça donne Nyame Zender. comme ça le village politique Yes, yes, let's go. merci, merci, merci, merci, on est là. Mezender, produit par Rasgas et Benji. C'est nos places à l'écho des régions pour parler du prix des moutons à Kony. Oui, Rabi, exactement. Dans quelques jours, les musulmans vont célébrer la fête de Tabaski ou l'aide al adha L'heure est à l'achat des moutons pour euh, le sacrifice par les chefs des familles. Au marché de Birni-Kony, région d'Ottawa, les démarcheurs de bétail font face euh, au manque de clients. Reportage de Asumana Moussa Arzika. Muna kasuwar bisashe da ke garin birnin Kwanni. abinda ake gani shine akwai karamcin masaya duk da yake akwai raguna sosai matsalar tsadar rayuwa ta wannan shekara na nuna rashin na ɗumkewar jama'a magidanta masu zuwa sayan dabbobi a cikin wannan kasuwar. Akwai bisa shi amma mutane ba su da kuɗi ga hannu. Akwai ta ƙaura ne akwai ta nan amma babu kuɗi ga hannu. sun yara saboda yanzu sai ka samu ragon wanda aka sasu a bara jikka 120 jikka 130 yanzu sai ka same shi jikka 100 har 80 akwai tumaki mata akwai maza kana son ka ci da gidan kana sayan rago ba da kai hankuli ba ka ce ka ci da gidan kanan na abin shiki. ko a garabba saboda abin da kai ni sai inda haka ka ni saye Allah ya Allah ka masa kalma digo ba gawa yo dabba yo ko ban zara a baka ita don dai har da rabba gwamnati sai ka ga kyarata ana iya samun musu na 30 me maka layya to gaskiya muna ganin bana da akwai kalma ga garabba ga wani nasu ya jikka bai da rabi amma to nake in ere da shi ga nan kana kuma shi Allah ya so yari da malam jadi Dalali a kasuwar bisa ta na nuna shirye-shiryen sallah na da duhu sosai a shekarar bana. Masaya sun rage sosai saboda tsadar rayuwa da ake fuskanta a yanzu haka. Sai su yi sama kuma sai su yi ƙasa, sai su yi sama sai su yi ƙasa. Farashin wanda ka san da shi sai ka iske an samu rangwame daga baya ko kuma wani lokaci sai ka iske ya sama kuma. To yanayin kasuwanci saboda babu kuɗi. Kaga mutum yana son babban rago misali na jaka ɗari sai ga mutum ya kuma ya sai na jaka hamsin ko arba'in. Ku jaka 60 hakan ga kamar misalin da kamar wata ka ta jaka 50 yanzu to tabarar din nan tana jakan nan 60 ko 65 hakan ga don ana samu haka ta ɗari kamar ana sai sai ɗari da hamsin haka ko da arba'in haka wani kana kwana biyu baka ko dala ba ga dabba abincin dabba kuma ya tsada dusa ta ya tsada kowa ta ya tsada ballantana ma harawa saboda ka zo ka sa kuɗinka yanzu kana da riba in ka baka kiyi ta su ba faɗuwa za dan ƙasa su koma ku lalace ma zagayowar ranar layya ga annabi ibrahim alaihi salam al'ada ce ga al'umma musulmi kuma tana karfafa zumuncin al'umma sai dai shekarar bana matsalar kuɗi a cikin ƙasa na son kawo cikas game da shagulgullan sallah yadda ya kamata a cikin jin daɗi da annashuwa. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la page sport, euh, n'est-ce pas, Rabi Oui, c'est nous et notre chroniqueur du jour, Adam Sariou, est là. Bonjour, Adam. Bonjour Rabi, bonjour Seno. Bonjour. Alors Adam, nous débutons euh, cette euh, rubrique sport euh, pour parler du MENA national qui sera opposé au Diable Rouge du Congo-Brazzaville ce soir à Kinshasa dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien oui, Rabi, comme vous le savez, le MENA national séjourne depuis quelques jours dans la capitale congolaise à Kinshasa, où il sera opposé à l'autre Congo, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, ce soir à 17h, heure locale. Mais à 72 heures du match, c'est-à-dire il y a trois jours, le ministre congolais des Sports, lors d'un point de presse, a déclaré un forfait de son équipe qui ne souhaite pas se rendre chez son voisin pour disputer cette rencontre qui l'oppose au Ménat national du Niger. De son côté, le Ménat national malgré l'annonce du forfait, reste concentré sur sa préparation à Kinshasa en attendant l'heure du coup d'envoi de cette rencontre par les officiels désignés par la FIFA. Il faut noter que si l'adversaire ne se présente pas sur le terrain entre 15 à 20 minutes, conformément au règlement de la FIFA, l'arbitre accordera la victoire à, l'équipe qui est présente sur le terrain et sur le score de 3 buts à 0. Donc, affaire à suivre. Merci Adam pour euh, toutes ces précisions. Parlons à présent de la Ligue nationale de football. Eh bien, la Ligue nationale, c'est-à-dire le championnat de deuxième division qui et compétitif pour la montée en première division. Dans cette lutte, c'est l'équipe de l'université Abdou Moumouni de Niamey et le Wombe de Maradi qui retrouvent la Super League. Les deux clubs intègrent les luttes du football nigérien après des parcours très bien maîtrisés tout au long de cette saison. Par contre, l'étoile filante de l'Ice Police de Zender, Abzin FC d'Agadez, le Dankasawa de Maradi ou encore le Nasra AC d'Agadez sont relégués en Ligue régionale. Pour finir, parlons de la tournée du président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Lahima Hamidou, eh à l'intérieur du pays. Eh bien, je suis même pressé, ravi d'ailleurs. Eh bien, <laughs> cette tournée concerne les huit régions du pays, mais la première étape a concerné la région de Dosso pour discuter avec les acteurs régionaux des problèmes que rencontre le football au Niger, mais aussi de voir comment améliorer le football féminin et la formation à la base. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour un autre numéro en compagnie de Hasumi Grouza. Merci bien, Adam. C'était la page sport, C'est nous qui est la star du jour. Eh bien, Rabi, elle s'appelle Binta Meigari, âgée de 23 ans. La jeune fille euh, native du quartier Taladier de Niamey est une mannequin, styliste, modéliste. Elle a commencé le métier de mannequinat en 2019 où elle a assisté à son premier défilé de mode. Aujourd'hui, elle est PDG de Maigari Couture. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre. Pour son portrait, on l'écoute. Des teintes noires, minces et lancées, Binta Maigari est une mannequin et styliste modéliste en deuxième année, un métier qu'elle a embrassé par passion et qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le monde de la mode en tant que mannequin raconte ses débuts. J'ai commencé le mannequinat en 2019, donc j'ai commencé à défiler en 2020. Ce qui m'a poussé à embrasser ce métier, quand je suis à la maison, je suis tout le temps sur Fashion Africa. C'est ça qui m'a motivé à faire les défilés vie ma corpulence. Et nous avons des grands stylistes ici. Je me suis dit pourquoi ne pas m'engager dedans. Et par la grâce de d'Allah, je me suis engagée dedans et ça a pris en même temps. Donc j'ai commencé à défiler un peu partout. Grâce à ça, j'ai commencé à défiler à l'international. J'ai réalisé beaucoup de choses parce que grâce à le mannequinat, j'ai eu plusieurs opportunités. J'ai encore eu des gens qui m'ont aidé. Donc j'ai eu beaucoup de choses dans le mannequinat. Même les connaissances me suffisent où je suis actuellement. Malgré son talent et sa détermination, Binta fait face à de nombreuses pesanteurs sociales. Toutefois, elle arrive à exercer son métier. Eh, j'ai eu des difficultés vraiment. Il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui nous traitent de n'importe quoi. <laughs> Il y a des choses même que je ne peux pas dire. J'ai eu des difficultés avec les mannequins, avec des stylistes et avec des coachs aussi, des promoteurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Abdelgani alias Masta, un de ses collaborateurs qui a travaillé avec elle pendant quatre ans, apprécie la manière dont Binta conduit ses activités. Binta Magari, Borno kan inda goy charbande inda irman don da care Borno no kan fisbillahi aga goy aga kokari agonda mo borberan diyan goy kulkan da asbon zingi Bormono kan aning bon sacrifier goye kan maga agba et puis wat kulu agbin tonton inga ema inda goy kani irko dem e fonde ferase grâce à ce métier de mannequin Binta a pu voyager dans plusieurs pays. Aussi, elle a ouvert son propre atelier de couture dénommé Maigari Couture à Niamey. Bref, sa détermination, sa passion et son engagement font d'elle un modèle inspirant pour toute une génération de jeunes femmes. Merci bien Omar Hama pour ce portrait inspirant. Changeons de registre à présent pour notre dernier titre de l'émission, Alibio du groupe Étoile de Zango. <laughs> étoile de Zango, C'est non, c'est quoi le lotil aujourd'hui Et eh oui, il parle de l'importance euh, de la hein, de laver, autant pour moi, excusez-moi, les mains avant d'aller d'allaiter son, enfant. Voilà. <coughs> Je vais y arriver. En effet, elles sont nombreuses euh, les mamans qui n'accordent pas euh, d'intérêt au lavage des mains avant de mettre leur enfant au sein. Écoutons Samira Rouafi et Rakia Arimi sur le sujet. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji hey matsukiji Allah kai in kana jin nan ba ka da hankali ko kaɗan ku hakuri ina zuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yani, Ibu ne ke kuka haka? Ba da lahiya ne? Wallahi lahiya shilau, kawai wani yunwa yake ji. To ba shi abinci mana ya ci. Kisan da ba kyau a bar yaro yana kuka haka, yana iya rashin lafiya. Wallahi na sani gowa. To, to sa shi ya yi shiru mana. abin da nake shirin yi dai kenan wai kawai ina jira ni in sabko shi daga baina di bayan da yake kuwa kamar an zuba mishi tonka a idanu kin san masu karin magana ke cewa cikin da ke jin yunwa bai yaji to tsaki gani zan ba shi nono da ya samu ya kwantar da hankalin shi sannan za mu samu mu hira amshi amshi ishu kai ke tsaya me haka kike shirin yi? Nono ne zan bashi. Nono ba tare da kin wanke hannuwanki ba yanzu fa kika zo daga gari. Yaya za ki ki ba ɗanki nono da hannuwanki masu salki haka? Na yi wanka fa kafin in hita daga gidan nan. Hmm, na ji ai masana na cewa kafin ka ba ɗanka nono ko kuma in za ka hidda nono don ka aje shi ya kamata ka wanke hannuwanka. Don me su hannuwa? Don saboda ka kare shi da wasu cututtuka. Hmm, gobe ma wani abun daban zaki ci a a'a a aje hankalinki ba mu kai nan ba tukwana. masana suna shawartar mutane da a kula da tsafta don saboda lafiyar yaro kamar misali wani amfani da sabili mai kamshi yana ɓadda iskan jiki na ainihi kamar kina da gaskiya fa da me kuma kuma ana iya sa rigar nono don saboda ya tallaɓo nonon kai ya zube kuma ana so a wanke shi ko so uku cikin sati aha kin tabbatar da abin da kike gaya min baki wani ƙare ba a'a gaskiya ce nake hudi wannan yana nuna cewa biki cika zuwa yin awo ba shawarwari ne da ake ba wa mata masu ban nono musamman ma ma'aikatan likitoci suna jan hankalin na a tsananta tsabta tunda yaro karami bayya da karfi nan da nan cuta ke kama shi delu gaskiya na gode da wannan tunin da ke mini kin san ibu yaro ne mai masiba kuka in ya fara kowa sai ma ki mance abin da kike yi gaskiya ta na gode yanzu ai za mu samu mu hira tunda ya kwantar da hankalin shi amma gora ya kamata ki sake aiki ko ki koma likita <laughs> a ba wani zancen sake aiki ba ne kin san duka wannan abun na koye shi ne tare da abiken nan ta ingozuma aikin santa kuma ba banza bane da kike gani na kullum ina tare da kaka tana bani shawarwari da dama na kula da kai samu lokaci dai wanda zai samu zamna in haɗe miki dukkan abubuwa masu inganci insha Allahu gora wannan satin ma za mu shirya wannan haba waye ki kawowa a ah, to Allah ya kai mu Firakia Arimi pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en Fulfulde. Ça sera avec Ali Niali, journaliste traducteur en langue Fulfulde. Bonjour Niali. Bonjour euh, Rabi, bonjour Seno. Bonjour. Alors Niali, euh, la journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin. Exactement, comme c'était la journée a été célébrée ce 5 juin ici dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire du Niger et dans le monde entier. Donc, euh, notre mot du jour euh, pour cette euh, culture linguistique, c'est bien l'environnement. Le mot environnement, chères auditrices et chers auditeurs, a été expliqué en anglais, en français, en germain et en hausa. Aujourd'hui, en fulfulde, nous tenterons de l'expliquer. Bandrabe barkinaɓe Hittinanibe, sigilaji studio kalangu et sigilaji Dunfa, hande niger sur kalangu Koridjan Weti et e hande Mingari, nantinde konngol environnement nder francire nder fulfulde dukay c'est bien ladde e jaaye e ko filti ɗum joyi lewru juin hitaani fuu ɗum ittani ñalowma waɗude batu daranaade duni faa hannden ladde e jaaye e ko filti ɗum domol majje duni faa hannden ko wooɗi non ladde e jaaye e ko filti ɗum kan en ballirta en keɓude diyan keni ɗi e pofeten waɗude burna meɗen hannden e jaamu domude ladde e jaya meɗen eko filti ɗum du tawi wakkati fuu no laaɓi ko woɗi noon sanne ko wadda du senare weltare mawne caka meɗen no iɗum waddana en du seho sembinɗinde en waɗude golle meɗen bandiraɓe worɓe e rewɓe kettinaniɓe sigilaji niger sur kala ngu jaare yeeso e hettinade sigilaji muɗon ɗi enda e sigilaji meɗen ɗi enda en durwudu fa hannden renude ladde e jaya meɗen ɗe enda wakkati fuu on barkini wala tout pour aujourd'hui. Merci. Merci, bien. Euh, merci et bonne continuation. On ne saurait pas comment te dire euh, merci en foulée. <laughs> Mieti. Mieti. Mieti. Mieti À bientôt. Chers auditeurs, euh, merci encore de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. sunana ibrahim jibbo wanda aka fi sani da sunan komantar masha allah studio kalangu ni mai sauraron shi na a da yaushe studio kalangu rediyo na wanda yau ya zama sha kallo cikin rediyo cinan na niger ganin cewa rediyo na wanda ya yi kaurin suna wajen waye kai na kowace bangaren na wanda ya shafi rayuwa studio kalangu yana bakin kokari don ya ga cewa rayuwar 'yan Nijar su ya inganta kuwa. Studio Kalangu gaskiya radio na wanda Annalu Salomo yana ce maka radio na wanda gaskiya ta kawo kallo a cikin Nijar. Shirye-shiryen radio ba shiri guda na yana kayatar da ni ba suna da dama amma yau in kace min gaya maka shiri wanda na fi so wanda l'émission le plus qui m'anime quoi ina ce maka kasan wani bi suna zan kawo shirye-shirye bangare abin da ya shafi kamar sariya haka ko wani bi su gani suna dan waye kan mutanen kowa ya san hakki ne bisa kan harkan sariya ni masauraren irin wannan emission na gaskiya wannan saboda yau al'ummar Nijar sun na da karancin sanin hakkokinsu bangaren sariya baske in kadi ba Nijar nan kamar ba kowa na yana da amala kan justice haka to wannan emission gaskiya yana dai daga cikin emission wanda ina jin dadin su ana yin su bugu da kare suna zan kawo labari wasanni haka duk wannan emission na wanda in ta kai ina zan sauraren su ni ka san da studio Kalungu yana burge ni ko Nijar babu yare wanda ba su yi babu yare wanda ba su yi cikin studio kalangu wannan ma ya kara kwarjini wannan rediyo duk inda kace ko kowane kalan kabila kace in dai kana mai sauraron studio kalangu na sai ya baka ka kenan wannan ma yana dai daga cikin abubuwan da ya kawo mai kwarjini me kira na karshe da wanda za mu ga zuwa ga studio kalangu ya kara karfafa emission kinnan su yau shiga lungu da sako ya kara wayar da kan mutanen Nijar saboda su dinga tambayin mutanen saboda yau ba dan ka zo birni ka shiga nan ka shiga nan ka tambayin mutum bisa kan yan Nijar yau mutumin kauye shi ka shan wahala ni na so su tai kauye can ofon su tai su nemo ra'ayin mutanen su ji hali da kasa suke wannan duka yana fata su karfafa zumunci sakankanin su muna fata ma radio tambara wannan yana bakin kokarin su dan suna hulda da studio kalangu waɗanda duka radio biyu radio na wanda nijar kowa san radio tambura muna yi ma rediyon tambara ma fata alheri dangance da ayyuka da yake a nan garin tawa da duka jamhuriyar Nijar gaba da. Idi Muhammad Imrana akan aiki na studio Kalangu zan iya cewa ni har yanzu tunda na san shi ban taba jin wani radio ba wanda ke ba mu matasa abubuwa na kayatarwa da labaru na jihohin kasan mu daban-daban da inda kake inda ma baka sani ba muna samun labaru masu kayatarwa to wannan abu shine birge ni cikin studio Kalangu ina sauraron studio Kalangu kowane lokaci kowace rana shirin da ya birge ni shine kamar shirin da suke zowa su kawo labarin wani mutum haka ko kuma wata masana'anta wannan shirin yana kayatar da ni sosai kina ya kamata su ƙara diba wannan lokaci nasu tunda yanzu in ka diba duka studio kalangu kamar duka program su suna da na awa guda suna da na awa biyu to ina iya cewa wannan bai isa ba kenan su ƙara samun wata awa ko kuma wasu awoyi can da cikin wani lokaci ke babbe a ƙara saboda a ƙara samun jama'a lokaci suna saurare Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sous Vous étiez en de Ali Odi Ousseini, <laughs> Ali dit Ousseini Disseno et moi-même Rabia Meikano. Le rendez-vous puis pris pour demain avec un nouveau duo. Et oui, à la technique, euh, la technique était assurée par Issa Lawali et Adam Adawaki était à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.